Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet Kalangou.org sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème le Niger, le Mali et le Burkina Faso, trois pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, quittent la CDAO. Quelles conséquences pour ces organisations Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, trois pays de l'Afrique de l'Ouest, membres de l'Alliance des États du Sahel dirigés par des militaires arrivés au pouvoir après des coups d'État, ont annoncé dimanche 28 janvier 2024 leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Cette décision est consécutive aux relations conflictuelles entre ces trois pays et l'organisation sous-régionale depuis l'avènement des coups d'État. À l'origine de ces tensions, les coups d'État intervenus dans ces trois pays et les sanctions décidées par la CDAO soutenues par la France et les États-Unis. L'organisation a ordonné le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ces pays. Les relations tendues entre la CDAO et les trois pays ont conduit ces derniers à créer l'Alliance des États du Sahel AES. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso estiment que la CDAO ne répond plus aux aspirations de leur peuple. Selon ces pays, je cite, après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme, souligne le communiqué. Ils accusent l'organisation d'être sous influence des puissances étrangères et de représenter une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Avec nos invités, nous allons voir toutes les conséquences relatives à ce retrait avant de formuler des recommandations tendant à améliorer le mieux-être des populations des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Pour ce faire, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir professeur Zango Moussa, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bonsoir, professeur Zango Moussa. Bonsoir. Hamma Hamadou, consultant spécialiste des questions économiques et ancien directeur général de la DGI. Hamma Hamadou, bonsoir. Ah, bonjour, monsieur. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, nous allons d'abord écouter euh, les avis de quelques citoyens interrogés par le studio Kalangou. Le retrait du Niger de la CDAO, c'est une bonne chose. La mesure où la CDAO qui n'arrive pas à, épauler ces pays-là, je crois bien que ça serait mieux de s'étirer. Et puis nous savons tous que le Niger fait partie des premiers pays qui ont décidé de la création de ce comité. Donc euh, si cette comité n'arrive pas à assurer sa mission, je crois bien que c'est une bonne idée de quitter mon ressenti concernant le retrait du Niger, ce fut un soulagement, mais plus une inquiétude au regard des situations actuelles. Franchement, côté, côté monétaire, ça va pas. Les banques ont du mal à financer les salaires, à, payer les, les employés et tout. Mais c'est un mal nécessaire puisque le Niger, il est grand temps que le Niger soit vraiment et véritablement indépendant. Moi, je dirais que c'est une bonne chose puisque ça va leur permettre de s'émanciper et pouvoir s'en sortir. Parce que je dirais d'un côté, c'est la CDAO même qui empêche les autres pays de se développer. Le Niger, le Burkina et le Mali. Je pense que c'est une bonne chose que les pays de l'AS e se sont retirés de la CDAO. Parce que là maintenant, ils sont libres, ils peuvent se développer comme il le faut. Je me suis d'abord posé une question. En quoi ça nous avantage qu'est-ce qu'on va en gagner C'est d'abord ce que je me suis demandé. Et si je ne vois pas ce qu'on pourrait y gagner, moi, pour moi, ça n'a pas son lieu d'être, hein, franchement. Jusque la nourriture, l'argent et la paix, c'est ce qu'on souhaite. Professeur Moussa, vous venez là d'écouter les avis de quelques citoyens interrogés. Quelle réaction cela suscite en vous euh, Merci euh, pour la question et surtout merci de nous donner l'occasion d'être euh, dans ce studio pour partager quelques préoccupations des citoyens de notre espace. Quand je parle de citoyens, c'est les citoyens du Sahel d'une manière générale, mais plus précisément des trois pays. Depuis un certain temps, beaucoup de questions et beaucoup de réponses comme ce que je viens d'entendre sont euh, largement lâchées par les citoyens interrogés. Donc, il y a à se dire, est-ce que les choix qui a été fait par les exécutifs des trois pays à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger par ordre alphabétique, est-ce que c'est un bon choix En tout cas, tout ce que j'ai entendu dégage un avis positif. Ils sont d'accord. Quand vous allez demander mon point de vue, il est clair que eh, peut-être il ne sera pas loin de l'avis de l'ensemble des citoyens qui partagent le même espace que moi. Donc vous aussi, vous avez accueilli avec euh, épreuve et sérénité ce retrait des pays de l'AUS de la CDAO bah, moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense que la CDAO a cessé depuis un certain temps de jouer son rôle parce que, comme tout le monde le dit, de notre espace, la CDAO est devenue une autre France dans notre espace. C'est ce que Paris veut, c'est ce que CDAO décide. Est-ce qu'on va continuer toujours à être dans la logique de la France-Afrique, ce système cynique, il faut le dire, qui a toujours pénalisé qui a toujours été défavorable aux intérêts des Africains de manière générale. Je pense qu'il faut arrêter. Donc, de mon point de vue, il est temps que nos États s'émancipent de l'asservissement dont ils sont victimes depuis le début de leurs relations avec la France. Merci beaucoup, professeur Zangaou. On va revenir vers vous le temps de recueillir la réaction de Hama Amadou après avoir écouté les avis de quelques citoyens interrogés au niveau du studio Kalango. Merci de l'occasion que vous me donnez de, de répondre un certain nombre de vos auditeurs sur cette <laughs> question-là. Bien évidemment, euh, tout changement emporte de, de l'incertitude, euh, des questionnements. Euh, ça peut même aller jusqu'à l'anxiété pour certains d'entre nous. Mais le tout est de savoir d'où on est parti, où on était où on, voudrait être en tant que citoyen des pays qui étaient anciennement membres de la CDAO et qui vont désormais être membres d'une organisation à côté de la CDAO qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel. Nous étions, à en croire ceux qui sont intervenus sur votre antenne, nous étions pratiquement dans un, couple avec des, euh, dans un différent qui est irréconciliable entre les, les parties, entre les membres du ménage nous étions dans une communauté qui ne s'appartenait pas. Le professeur euh, euh, Zangou l'a dit, la CDAO ne s'appartenait pas ne s'appartenait plus depuis un, long moment. Et c'était un processus. Nous savons tous que la CEDEAO a été créée pour faire l'intégration économique entre les États, pouvoir améliorer les échanges qui ont toujours existé entre nos peuples, puisqu'il faut se souvenir que l'espace en question est un espace qui a connu un certain nombre d'organisations administratives, des empires, des royaumes, euh, qui vivaient en bonne conscience. Bien avant la pénétration européenne. Bah, depuis toujours, bien avant, depuis euh, au moins, hein, on va dire le, 9e, je suis pas historien, entre le 9e et le 11e siècle, déjà il existait ce type euh, d'intégration d'intégration, d'échange entre les gens qui vivaient dans cet espace-là et pour aller plus loin, d'ailleurs dans l'espace, on va dire, du Sahara euh, au-delà simplement de nos 15 euh, pays ou même des 16, euh, puisqu'à un moment donné, la Mauritanie a fait passer, partie de, donc de, la CDAO. Les gens commerçaient entre eux. Et ils avaient également des relations, on va, dire, des relations culturelles, des échanges de tous ordres qu'ils animaient entre eux la CDAO a été créée par un certain nombre de chefs d'État, donc euh, visionnaires, la plupart euh, du temps d'ailleurs des militaires, et qui ont décidé qu'il fallait aller à une autre étape de cette intégration parce que nous sommes rentrés dans une, euh, forme d'économie moderne. Et donc, que cette forme d'économie moderne, donc, qui est passée de l'économie du verbal, l'économie de la parole donnée à l'économie de la signature, donc l'économie comptable. Pour cela, il fallait adapter le mode de fonctionnement de nos échanges en les modernisant, en en faisant quelque chose d'écrit, en, en, légiférant, en disant dans quelles conditions euh, ces échanges devraient se passer et comment nous nous voyons entre nous, quelle solidarité nous mettons entre nous, quelles barrières euh, nous, nous descendons pour que nos échanges soient les plus fluides euh, possibles. C'est cela euh, euh, le, but de la CDAO. Mais après, qu'est-ce qu'on a constaté La plupart du temps, la CDAO ne faisait que de la politique que de la politique politique il y a la politique euh, mm. au, niveau des instances euh, de la, CDAO. la politique, ça devrait être quelque chose de noble. Qui dit noblesse, dit intégrité intégrité. Ah. voilà. Il y, a une nuance. Il y a une nuance. Il y a l'intégrité, il y a des valeurs. À partir du moment où vous pouvez appliquer une règle à certains, une autre à d'autres, alors que les deux sont supposés être régis par les mêmes normes, eh bien, il y a quelque chose qui... Il y a deux selon vous. Il, y a quelque chose, pour moi, qui n'est pas honnête. Il y a quelque chose qui ne peut pas continuer, parce que celui qui subit la mauvaise règle, eh bien, il va se rébeller. Forcément, au bout d'un moment, il n'acceptera plus d'être sur le joug, en fait, de pratique, parce que c'est pas la règle. La règle est écrite c'est plutôt des pratiques, <laughs> voilà. Et donc ça, ça ne euh, pouvait, pas prospérer. Et, et, cela, ça tient, à mon point de vue, de deux facteurs. Le premier, c'est comment la CDAO était financée. Il est vrai que nous finançons euh, notre CDAO par le biais, nous finançons notre CDAO par le biais de prélèvements fiscaux, notamment des prélèvements en douane, ce qu'on appelait le prélèvement communautaire, donc euh, chaque pays sur les droits de douane prélevait une partie pour pouvoir alimenter le budget de la CDAO. Il se trouve que malheureusement la CDAO, elle avait également des ressources pour son fonctionnement qui lui venaient de puissances extérieures à la CDAO eh ben, on a une formule en économie. Est-ce que les gens ont quand même la certitude que euh, la CDAO est financée à partir de l'extérieur euh, je, ne vous ai pas dit que la CDAO est financée à partir de l'extérieur. Je vous ai dit qu'une partie des ressources de financement, et y compris l'assistance technique au niveau de la CDAO, provenait de puissances extérieures, provenait par exemple de l'Union européenne, provenait par exemple de la France et autres. Ça, c'est clair et net. Vous pouvez le voir dans tous euh, les, documents budgétaires de la CDAO et c'était une partie non négligeable du financement. Voilà. Donc ça, c'est euh, une partie du problème. la deuxième partie du problème, à mon point de vue, c'est qu'on a amené des fonctionnaires sur des leviers politiques. Des fonctionnaires sur des leviers politiques. Un fonctionnaire n'est pas fait pour travailler sur des leviers politiques. Un fonctionnaire, il est fait pour faire de l'application de la règle de droit, devant l'application de la réglementation ou de la législation en vigueur, pas pour lui-même faire la loi. C'est le législateur qui doit le faire parce que la loi est toujours politique. Il n'y a pas de loi technique. Une loi est toujours politique. Elle est l'ordre de la vision de ce que la société euh, doit être, ce qu'elle veut être, puisque c'est le peuple en principe hein, qui fait la loi par le biais hein, donc euh, des représentations qu'il euh, se choisit. Donc les citoyens de la CDAO, même si on n'avait pas un parlement euh, élu au titre de la CDAO de manière on va dire sous le suffrage universel, mais nous avions quand même un parlement de la CDAO et qui était contre les mesures qui ont été prises, notamment contre les Niger, qui sont des mesures davantage punitives que des mesures de sanctions raisonnées, réfléchies puisque euh, nous savons tous que les types de mesures qui ont été prises dans, dans des économies qui sont interdépendantes, je dis bien des économies interdépendantes, eh bien, c'était juste une folie. C'est l'idiotie innommable, étant entendu que euh, chaque fois que vous prenez une mesure de rétention contre une, économie euh, qui est interdépendante avec la vôtre, eh bien, vous subissez les conséquences de la même façon que celui que vous souhaitez. On va, en venir au niveau des conséquences à Hamamoudou. Merci beaucoup, professeur Zangamoussa. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'entendent point se conformer aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CDAO qui impose un délai d'un an à partir de la date de la notification officielle pour que le retrait d'un pays soit effectif. Quelle est votre opinion au sujet de cette position de ces trois pays de l'AUS? Merci, je ne suis pas juriste et, souvent je ne le réclame pas. Devant des faits, devant des réalités, devant des situations comme celle-là, il n'y a pas à réfléchir. Moi je pense que l'AIS a toutes les raisons de se retirer et de ne plus respecter ce qu'est un club de chefs d'État de certains pays de la CDAO, peut-être CDAO d'hier, mais aujourd'hui elle devient autre chose, il est logique que les exécutifs de l'AIS refusent toute injonction, toute dictate qui leur vient de ce qu'il faut considérer comme ennemi de leur peuple. Parce que quand vous écoutez les citoyens, mais leur position, elle est claire. Et quels sont les pays, les chefs d'État incriminés Vous avez d'abord un certain Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Qui a fait un troisième mandat. Qui ne respecte rien du tout que ce que la France lui dicte. Vous avez un certain Macky Sall qui aujourd'hui à la une euh, de l'actualité <laughs> internationale. Vous avez un certain c'est béninois qui, quand on voit ces agissements Et le quatrième, c'est nigérian qui, en réalité, je pense à très peu de choses de la culture, de la réalité nigériane. Parce que je pense que les Nigérians, vu les relations, les rapports qui existent entre le Niger et le Nigeria, ne peut pas demander d'asphyxier le peuple nigérien à travers la fermeture des frontières. bien sûr, à travers la, front, la fermeture des frontières, la rupture euh, d'électricité, combien de concitoyens euh, de notre espace, en tout cas habitants du Niger, ont perdu la vie, rien qu'à partir des conséquences qui sont liées à la rupture euh, de l'énergie électrique. De l'énergie électrique, les médicaments qu'on ne retrouvait plus dans certaines pharmacies. Il y a des gens qui vivaient sous médicaments. Et lorsque ces médicaments cessaient d'exister, c'est qu'ils cessent aussi de vivre. C'était euh, quand certains citoyens de notre espace, et pas seulement les Nigériens qui le disent, hein, un peu partout, ils parlent de sanctions inhumaines de sanctions criminelles. Ah, justement, à, à juste titre, beaucoup d'observateurs estiment que la CDAO a mieux connu ses propres lois, a violé ses propres lois. Est-ce une raison Non, mais moi je pense que les raisons sont très pertinentes, celles qui sont évoquées par les pays de l'AIS. E du moment où ces pays de la CDAE sont manipulés par votre ennemi, qui a essaimé le terrorisme dans cet espace Qui a créé les rébellions Qui a créé les milices armées dans cet espace L'insécurité, ces 35 dernières années, dans cet espace de manière continue, le Nigeria qui se laisse manipuler au dernier moment. Il n'y a, pas de preuves, euh, professeur. Non, si, il y a des preuves. Ah oui, il y a des preuves. Ça, il n'y a rien à faire. Même ceux qui ont été utilisés ont parlé. Tous nos États disposent des preuves. C'est parce que tout simplement, à un moment donné, nous étions dirigés par des hommes incapables de dire la réalité, de dire ces preuves. Ils les ont. Mais aujourd'hui, vous avez quand même ceux qui sont là. Ils ont commencé à donner une partie de ces preuves, même si au niveau international, quand le Mali a voulu déverser certaines preuves devant les Nations Unies, mais les Nations Unies, comme bien sûr c'est un système international qui est aussi infiltré, qui a été conçu, construit par les mêmes puissances qui sèment ces désordres, euh, n'ont pas effectivement accepté que le Mali donne ses preuves. Ce sont des preuves existantes. Quand Alassane Ouattara a construit ce complot contre le Mali il y a de cela quelques années, tout le monde savait bien qu'il y a la main certains États africains. Professeur Zanga Moussa, dans les rues de Niamey, Bamako et Ouagadougou, des centaines euh, de personnes ont manifesté jeudi 1er février pour apporter leur soutien après l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO. Quelles sont les véritables attentes de toutes ces populations Les véritables attentes de ces populations, c'est qu'il faut une rupture avec un système cynique. J'ai parlé tantôt de la France-Afrique, mais tout le monde l'a dit, même ceux qui sont loin de cet espace, ont toujours considéré que la France comme un mal pour l'Afrique d'une manière générale, et surtout l'Afrique francophone. Mais vous prenez les statistiques ces dernières années. Il se trouve que ce sont ces États-là qui étaient toujours les derniers de la planète. Mais il se trouve aussi que la richesse de la France venait aussi de ces mêmes États. C'est un paradoxe selon vous. C'est un paradoxe, bien sûr. C'est comme euh, quand on parlait de l'or nigérien <laughs> arrêté à 10, je crois que oui, c'est à 10, en Éthiopie. Mais c'était pas surprenant. C'était pas surprenant. Nous marchons, nous dormons sur des richesses énormes. Mais souvent, malheureusement, beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Et surtout pour l'économie de demain. Les ressources minières et énergétiques de l'économie de demain sont dans cet espace du Sahel précisément dans ces trois pays. Merci beaucoup, professeur. Aujourd'hui, les grandes puissances ont du regret de ne pas continuer à avoir la même mise parce qu'elles euh, peuvent espérer que les choses vont évoluer comme elles ont l'habitude de les jouer, mais elles savent que la situation devient de plus en plus difficile pour elles. Merci beaucoup, professeur Zangamoussa. Nous allons revenir vers vous. À Mamadou, les relations entre la CDAO et les trois pays de l'AES ont conduit ces derniers à créer l'Alliance des États du Sahel AES avant de quitter la CDAO. Quelles sont les conséquences de ce retrait pour les trois pays de l'AES et même pour la CDAO Merci. Les conséquences sont les mêmes du côté de la CDAO comme du côté de, de l'AES. À la différence près qu'il y a euh, une conséquence qui est fondamentale euh, c'est la liberté d'agir, de choisir par soi-même et pour soi-même. Reprenez euh, pour que les, auteurs puissent euh, véritablement comprendre. il y a des conséquences de part et d'autre, évidemment. Il y a des conséquences qui sont pour la CDAO à l'heure actuelle et il y a des conséquences pour les États membres donc de, les trois pays de l'AES. de l'AES. Mais il est vrai que la plupart des conséquences sont duales ce sont les mêmes conséquences que subiront à la fois les gens qui sont restés dans la CDAO et les gens qui sont sortis de la CDAO. L'avantage pour ceux qui ne sont plus de la CDAO, c'est la liberté d'agir, de penser et de, on va dire, de faire des projets de manière libre, de manière souveraine. Donc, et de faire des partenariats avec qui ils veulent désormais, construire euh, des projets communs qui soit structurant. Parce qu'il faut bien rappeler... C'est une très bonne chose pour ces ah, pays. forcément, mais forcément, forcément. Euh, ça fait quand même euh, à peu près un demi-siècle que la CDAO existait. Elle était construite pour faire l'intégration dans notre communauté, mais vous ne pouvez pas faire l'intégration euh, de manière adaptée lorsque vous n'avez pas d'infrastructure lorsque vous n'avez pas de projet commun. Si je vous posais la question à vous et à tous ceux qui sont intervenus, s'il y avait des voies ferroviaires, s'il y avait des autoroutes, s'il y avait des aéroports, s'il y avait de la communication entre les États membres de la CDAO tel que euh, ça, doit se faire, si on avait construit ensemble des grandes sociétés multinationales pour nous faire de, l'aviation, pour nous faire des automobiles, pour nous euh, faire des bateaux pour circuler entre nous, je suis certain que les citoyens de l'AES n'auraient pas accepté aujourd'hui que les pays de l'AES se retirent de la CDAO. Mais il est vrai, nul ne peut nier, lier, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu du tout d'avancée euh, du fait de la CDAO entre les États, mais en, réalité, on n'est pas allé euh, loin. On n'est pas allé dans la satisfaction des besoins des citoyens de, la communauté. Un individu, de quoi il a besoin Il a besoin à peu près, selon euh, <clears throat> les gens qui ont fait des grandes études, les bacs plus 5 ans dans le domaine, <laughs> Monsieur Zengao doit en faire partie. Donc, un individu, il a, il 14 euh, ou 16 besoins fondamentaux, parmi lesquels il y a quoi Boire, manger, se soigner, se vêtir, euh, euh, s'épanouir, se loger, avoir du savoir. Ce sont des, des, choses qui sont fondamentales à la ville. Dans ces domaines, quel est le projet commun au sein de la CDAO Aucun, pour ces besoins. Il n'y a pas de construction d'une agriculture commune comme ça l'est pour l'Union européenne avec la politique agricole commune, qui est financée presque entièrement par les fonds communs de l'Union européenne. Il n'y avait pas de projet euh, pour faire euh, des routes. Il n'y en avait pas. Vous n'avez pas la route financée dans l'un quelconque de nos États par euh, des fonds de la CDAO. Si c'est fait, c'est sur le, dans le cadre du programme indicatif régional, mais financé sur des fonds de l'Union européenne, dans le cadre du groupe des pays de Afrique, Caraïbes, Pacifique, mais pas euh, sur des fonds propres de la, CDAO. De, Donc, qu'est-ce qu'on faisait en commun On faisait que palabrer. Donc, c'est clair et net que dans ces circonstances-là. Oui, mais, mais, la sortie de ces trois pays a quand même des conséquences négatives. Mais justement, viens, j'en viens à ces conséquences. Il y en a qui sont positives, il y en a qui sont négatives. Je vais d'abord sur les conséquences négatives, puisque c'est cela qui vous intéresse mm. au premier chef. Les conséquences négatives de, de, de euh, la CDAO, de quoi il s'agit Il s'agit donc de la libre circulation des personnes des biens, Des capitaux et des personnes. C'est fondamentalement ça, l'intégration économique. Je vais les prendre un à un. Rapidement. Voilà. La libre circulation des biens. Ça suppose simplement qu'il n'y a pas de droit de douane entre nous et qu'il n'y a pas de frontières entre nous pour ce qui concerne euh, la circulation de tout ce qui est marchandise il n'y a pas de, frontières, vous ne payez pas de droits de douane, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fiscalité intérieure parce que vous continuez à payer la TVA, même dans ce cas de figure-là. Donc ça, euh, euh, euh, désormais, les biens qui vont quitter l'un des espaces, c'est-à-dire CDAO, pour venir dans l'AES, eh bien, ils, peuvent probablement subir des droits de douane. Donc, ça va être des charges supplémentaires, c'est vice-versa. Hein. Je vous ai dit que c'est réciproque. De l'un vers l'autre, ça va subir. Mais là aussi, à condition qu'il n'y ait pas d'autres accords. Or, on a des accords en droit qui protègent avec euh, les autres pays de la CEDEAO. Qui, protègent tous ces pays-là, ceux qui sont restés comme ceux qui sont sortis de ces avatars-là. Il y a l'appartenance à un groupement plus élevé qui s'appelle la ZLECAF, qui regroupe l'entièreté des pays africains, ceux en tout cas qui ont ratifié la Convention. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la SENSAT, Là aussi, c'est un regroupement d'États qui, euh, euh, nous donne euh, les mêmes avantages. Il y a une organisation qui est née avant même qu'on soit indépendant en 1959 qui s'appelle le Conseil de l'Entente. Voilà. Il y a un tas d'organisations de, ce type et puis il y a des accords entre deux États, des accords bilatéraux entre nos États Le problème, ce ne sera pas le droit. Le problème, c'est peut-être la pratique du droit parce que les États ont cette euh, particularité qu'ils peuvent euh, souvent s'exonérer même des engagements internationaux qu'ils ont en matière de droit. Donc ça c'est la première chose. Donc nous sommes protégés euh, de ce côté-là, mais le risque existe que dans la pratique ces barrières donc elles soient maintenant en, place. la deuxième chose ce sont les capitaux. Les entraves qu'on peut avoir sur les, les capitaux qui viennent de part et d'autre, ce sont des entraves liées au code des investissements, au code euh, minier et autres, lorsque vos capitaux, vous voulez les investir quelque part, eh ben, on va vous faire probablement plus de difficultés lorsque vous n'êtes pas dans l'organisation intégrée, lorsque vous, vous y êtes. Donc ça, c'est clair que là aussi, ça va réduire le volume des affaires, le volume des investissements de part et d'autre ça pourrait avoir des conséquences. La troisième chose, c'est la libre circulation euh, des, personnes. Et donc, la conséquence, c'est qu'il peut avoir des restrictions liées au visa et il peut avoir des contrôles aux, frontières qui ne devraient pas être. Mais il se trouve que malheureusement, si ces contrôles aux frontières et ces restrictions de visa n'étaient pas hein, dans le droit, ils l'étaient dans la pratique. Dans la pratique, quand ah, vous bien, avant le retrait. Ben, ça a toujours existé, ça n'a jamais disparu. Si vous prenez un véhicule pour aller à Lagos, vous allez voir le nombre de checkpoints que vous aurez devoir euh, ou auxquels vous devez devoir présenter des pièces d'identité au niveau des frontières, à les 1500 km de frontières du Nigeria. C'est valable lorsque vous allez au Bénin. Euh, j'ai été au mois de mai à Accra et entre Lomé et euh, enfin à Lomé puisque c'est carrément à mm. Lomé la frontière à, euh, Flao entre euh, la frontière donc du Ghana et du, Togo, eh ben, nous avons passé sept heures de temps de formalité, de formalité entre les formalités douanières des véhicules et les formalités d'immigration qui concernent donc simplement les formalités de contrôle de, de passeport et autres. Donc, vous voyez, dans tous les cas, ces risques vont exister, mais à côté, pour ceux qui concernent l'AES, au moins l'AES n'a plus les chaînes de euh, la corruption de ses décisions par des gens qui ne sont pas de l'AES tel que ça l'était lorsque les pays membres de l'AES étaient dans la CDAO où les décisions euh, étaient euh, souvent téléphonés par des puissances extérieures à l'AES et je vous ai dit dès, le départ que la CDAO, nous avions le sentiment qu'elle ne s'appartenait plus. Elle appartenait à d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec les objectifs pour lesquels la communauté était censée exister. Merci beaucoup à tous. On a une courte pause. Professeur Zangamoussa, les dirigeants respectifs euh, de ces trois États euh, sahéliens prennent euh, toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondent aux attentes, aux préoccupations et aux aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dit le communiqué lu sur les médias d'État de ces trois pays. Quel est l'avenir de la CDAO selon vous Je vais préciser quelque chose. Rapidement Oui, rapidement, parce que quand on parlait du, financement des grands projets et programmes euh, de l'Afrique, on voit l'Union européenne, enfin les grands organismes hein, qui gèrent les ressources des puissances extérieures qui interviennent dans nos États. Lorsque vous analysez cette question, vous êtes dans euh, l'épineuse question de l'aide au développement. Est-ce que cette aide est réellement sincère Est-ce que ces États qui, de manière prétendue, agissent pour nous aider, pour financer des programmes qui sont les nôtres, est-ce que c'est vraiment avec leurs propres ressources Il y a des questions à se poser. Et tout cela renvoie à la question du franc CFA. Ah, la monnaie. Qui est, qui est rarement abordée depuis longtemps, mais depuis un certain temps, on commence quand même à se dire mais quel est le rôle de ces francs qui, en réalité, matérialisaient et continuent de matérialiser une certaine politique coloniale de domination et d'exploitation au niveau de nos États. À présent, professeur Dangamoussa, quel avenir pour la CDAO après le départ de ces trois États C'est difficile de, de prédire, mais nous pouvons quand même considérer qu'il y a un facteur d'affaiblissement qu'il faut d'avance annoncer. L'espace de la CDAO est constitué d'une grande partie de l'espace des pays qui sont retirés de la CDAO. Il y a encore quelques heures, voire quelques jours, il y avait des problèmes énormes au Nigeria, rien qu'à travers le mouvement des avions, qui ne peut plus survoler, en tout cas qui ne peut plus emprunter les itinéraires habituels. C'était aussi la même chose. Ce qui jetait les mauvaises pratiques, les sources de destruction dans notre espace, à un moment donné, ils ont facilement accès à cet espace. Quand on veut faire un coup d'État euh, <laughs> dans un pays, c'est beaucoup plus facile à un moment donné. Mais de plus en plus aujourd'hui, l'espace terrestre est contrôlé, même s'il n'est pas contrôlé à 100%, parce que nos frontières, nous savons, elles sont poreuses, mais nous savons aussi les axes principaux par lesquels les uns et les autres passent. Mais surtout, à un moment donné, l'espace aérien dont nous ne disposons d'aucun moyen de contrôle. Et les le plus souvent qui sont utilisés par les ennemis entre griffes, parce qu'ils sont complices aux ennemis. Quand les armes sont parachutées dans certains coins du Mali, du Niger, du Burkina Faso, avec toute la, logistique qu'il faut, à un moment donné, aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile. Oui, mais professeur Zangamoussa, dans tout ça, peut-on s'attendre à l'arrivée d'autres pays au niveau de US. Et tout est possible. Je pense que l'enthousiasme qui est observé au niveau de l'ensemble des Africains, partout où ils se trouvent, parce qu'ils considèrent que l'exemple du Burkina Faso, du Mali et du Niger, à travers la création de cette alliance des États du Sahel, constitue une voie de libération de l'ensemble de l'Afrique. Et que si aujourd'hui certains États sont encore dirigés par des hommes liés à un système qui ne veut pas de cette souveraineté, mais il faut s'attendre qu'ils ne sont pas éternels. Il faut considérer qu'ils ne sont pas éternels. Tôt ou tard, il va avoir ces hommes dont les objectifs, dont le comportement est similaire à celui de ceux qui gèrent aujourd'hui l'AES. La jeunesse, partout, elle est en train, en tout cas, d'alimenter, de développer un certain rêve. Et ces rêves-là, il faut s'affranchir. Les termes affranchissement de certaines logiques de domination et d'exploitation qui sont, c'est un héritage encore vivace de la période coloniale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Zangaou, Hama Amadou. Euh, certains analystes prévoient même une possibilité de création d'une nouvelle monnaie commune au sein de l'AUS. Tout à l'heure, professeur Zango parlait du côté négatif euh, de, l'utilisation du franc CFA. Est-il nécessaire de créer une nouvelle monnaie au sein de l'AUS N'y a-t-il pas de risque Mais il y, a toujours un risque lorsque vous avez mm, <laughs> vous faites un changement. Mais quels sont les coûts Quels sont les avantages de ce que vous projetez. Est-ce qu'il y a plus d'avantages que de coûts Eh bien, vous y allez. je pense que euh, ce qui va, l'initiative de la création d'une nouvelle monnaie est une suite logique aux décisions qui ont été prises euh, précédemment. Mais avant de venir à votre question, je voudrais d'abord préciser euh, un certain nombre de choses. Allez-y. Ben, par rapport au lien qui va avoir désormais entre la CDAO et moi, Parce que les pays de l'AES sont sortis de la CDAO pour autant, il reste dans moi pour l'instant. Il reste dans l'UEMOA. Les, huit pays... Euh, les, trois pays de l'AES restent dans l'UMA, qui, donc, qui, forment un, qui, forme, un bloc d'une union euh, douanière et économique dans, dans les mêmes termes que la CDAO. Et donc, et cette euh, IOMOA-là coopère dans le cadre d'un protocole de coordination avec la CDAO. Donc les organes de la l'UMOA collaboreront avec les organes de la, de CDAO. Le problème qui va se poser, c'est que euh, c'est les mêmes difficultés qui ont amené le, euh, le Burkina Faso, le Mali et le Niger à quitter la CDAO peuvent se présenter à d'autres pays qui sont restés dans la CDAO et qui sont dans l'UMOA, par exemple. Parce que euh, ça pourrait les encourager à le faire. Pourquoi ça pourrait les encourager à le faire Parce que la manière dont les décisions ont été prises, leur impertinence fait en sorte que tout celui qui se respecte, tout ce qui a, celui qui a un besoin sérieux pour son, peuple, doit prendre eh, des décisions eh, telles que le professeur Zangao l'a dit, de faire en sorte que la personne s'émancipe, s'affranchisse d'un certain nombre euh, de liens euh, qui ne doivent pas être. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Ça va arriver également qu'il puisse avoir des conflits de coordination dans, dans des deux organisations, étant entendu qu'une partie des membres de euh, l'UOMOA donc, et dans l'AES. et ils peuvent avoir euh, donc des opinions, ils peuvent avoir des intérêts divergents. Dans ce cas, comment se ferait la coordination entre l'IOMOA et la CDAO Vous voyez ce que ça peut faire. Donc, il y a un, tas de choses euh, à ce niveau, mais euh, je reviens à la question stricte qui est celle de la monnaie. Rapidement. L'une des raisons pour lesquelles les Nigériens subissent les conséquences inhumaines et irréfléchies des sanctions, c'est la monnaie. La monnaie devrait être quelque chose. La gouvernance de la monnaie devrait être indépendante, autonome donc des pouvoirs politiques. C'est ça l'essence même de la monnaie. La monnaie, c'est ce qui permet, c'est l'instrument qui permet simplement de permettre, euh, qui permet aux échanges commerciaux de se faire plus rapidement. Sinon, avant la monnaie, on échangeait. Hein. Il y avait le troc, il y avait un certain nombre de, de monnaies qu'on avait utilisées autres que euh, celle la, monnaie coloniale que nous connaissons, euh, connaissons le CFA. Eh ben, il est clair et net que à partir du moment où on a pris la monnaie comme arme de guerre contre vous, puisque pour ce qui concerne euh, le Niger, c'est la monnaie qui est euh, le facteur de sanction le plus important et le plus ignoble, eh ben la moindre des choses, c'est se dire, eh ben je vais me délier de la chaîne qui fait en sorte que je ne peux pas mouvoir, la chaîne qui ne me permet pas de faire ce que je dois faire pour mes besoins c'est l'argent qui permet de, faire l'approvisionnement en médicaments dont il a parlé, l'approvisionnement en biens essentiels comme les... Le euh, fonctionnement des banques. Oui, mais voilà, le fonctionnement des banques, c'est facile à faire à partir du moment où vous avez imaginé votre politique monétaire et que vous êtes, euh, vous avez une politique monétaire pleine. Dès le départ, qu'est-ce qui s'est passé Nous savons tous que nous n'avons pas une politique monétaire pleine, puisque depuis la fin des années 90, on a dit à la Banque centrale, vous ne prêtez plus aux États. Une banque centrale qui ne prête pas aux États, ça n'a pas de sens. Il y, a aussi des risques, Hamamadou. Hein, des risques La création d'une nouvelle monnaie. Oui, mais il y a toujours des risques. Hein. La création d'une nouvelle monnaie, Elle, est, un risque lorsque euh, nous, nous ne travaillons pas. Lorsque vous ne créez pas de richesse, lorsque vous ne créez pas des biens et services dont ont besoin vos propres gens, mais surtout les gens à l'extérieur aussi, parce que ceux qui veulent importer vos, biens, il faut qu'ils les désirent. Vos services, il faut qu'ils les désirent. S'ils les désirent, eh bien, votre monnaie va être une monnaie stable, étant entendu que les gens vont plus désirer vos biens et services que vous, vous n'en désiriez les leurs puisque vous n'aurez pas besoin lorsque vous produisez ces richesses-là, vous produisez ces biens et services que, dont tout le monde a besoin, vous n'aurez pas vous euh, de, besoin d'aller chercher ailleurs ces biens ou, euh, ces services et donc de, faire en sorte que votre monnaie ne soit pas puissante puisque vous, vous la donnez aux autres, ils en auront euh, plus que vous n'avez des leurs. Voilà. À partir du moment où nous sommes capables, nous trois, ben, Burkina Faso, Mali et Niger, de faire de la production, d'avoir une productivité qui soit aux normes, d'avoir euh, de la création de richesses, de, donc d'apprécier nos productions, euh, de notre produit intérieur brut, il n'y a aucune raison à ce que nous craignions d'avoir une monnaie où nous, nous aurons une gouvernance libre, où notre, notre, banque centrale, elle va financer nos entreprises, elle va financer nos États lorsque nous sommes dans des politiques de relance économique quand cela, et nous en avons besoin de manière, euh, on va dire, conjoncturelle. Aujourd'hui, la Banque centrale, elle finance, à part le refinancement des, banques commerciales, à un certain degré, très limité, elle ne finance pratiquement pas l'économie de Lyon-Mois, Et donc, nous n'avons pratiquement pas les avantages d'une monnaie, mais nous entraînons les inconvénients d'une monnaie depuis trop fort longtemps. Je ne vois pas la conséquence la plus sérieuse qui nous empêcherait demain de programmer euh, donc l'avènement d'une nouvelle monnaie. Mais bien évidemment, il faut prendre des garde-fous, il faut prendre le temps de le faire, faire en sorte que les, règles soient fixées, comment on va diriger notre future banque centrale, comment l'émission euh, de la monnaie, donc l'imprimerie, où est-ce que ça va être cité, comment ça va être géré, comment les billets vont être euh, donc euh, frappés, pour quelle quantité pour chacun des, pays considérés, ensuite permettre aux banques et, aux entreprises de mettre leur logiciel, leur chéquier, leur ah. carnets de virement en ordre au particulier également, y compris euh, les applications et puis les terminaux comme les, euh, terminaux de lecture des cartes euh, bancaires et tout ça là, puisque tout cela, ça fait partie du schéma d'une monnaie. Ce n'est pas simplement les pièces et les billets, c'est beaucoup de choses. L'essentiel de l'argent, ça passe d'ailleurs par le billet de chèque, d'ordre de virement, de, de lettre de crédit et, et consorts. Donc ça, il nous faut bien évidemment bien l'étudier prendre le temps, il ne faut pas se précipiter. Et c'est pour ça que moi, je suis heureux qu'on reste encore dans lieu le temps qu'on profine et qu'on se donne les moyens d'avoir acquis tout le matériel, toute l'infrastructure et avoir également piloté ça au niveau de nos banques, de nos entreprises et puis de, euh, finalement des particuliers plus tard. Merci beaucoup Hamamadou. Mm. Mm. Professeur Zanga rapidement, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour un retour rapide de la paix, de la stabilité et du développement au sein des trois pays de l'AUS Rapidement. Ça, c'est une question... Hein. <laughs> c'est une question qui a beaucoup d'éléments hein. parce que la sécurité, ça c'est clair, hein. il faut mutualiser les, moyens, efforts. nouveaux euh, les efforts au niveau de trois États comme euh, euh, les Maliens, les Burkinabés ont commencé à les faire. Hein. Euh, il faut équiper nos forces de défense et de sécurité et faire de sorte qu'elles agissent ensemble, surtout au niveau des frontières. Aujourd'hui, nous avons cette zone des trois frontières qui fait énorme, est source d'énormes problèmes pour nos les trois, citoyens. Les, trois États. Mais surtout, surtout pour le Niger, parce que les autres, ils ont fait beaucoup d'efforts. Quand on prend septembre, octobre, novembre, décembre, il y a eu beaucoup d'efforts et la plupart des bandits sont repoussés du côté du, Niger. Oui. Et là, de euh, Terra à, Saï. Oui, si vous voulez, c'est vraiment tout au long de la frontière. Hein. Si vous prenez du nord Tawa, nord euh, Tilabiri, euh, jusqu'à cette zone de la Sirba, je crois que pour les trois États, ça ne doit pas être un défi difficile à relever. Et ça, connaissant le relief de ces zones, il n'y a pas à accélérer, il faut se doter de moyens aériens. C'est ce que l'ennemi n'a pas. Et c'est donc qu'il a peur. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Maîtriser la sécurité de notre espace. Sur le plan économique, euh, social. <coughs> et la stabilité, il faudrait que tout le monde accompagne. Euh, les ah. citoyens, ah oui, il faut que les citoyens accompagnent. Vous avez des exécutifs qui sont dirigés par euh, des militaires, qui ont aussi des ennemis hors de nos frontières, mais il faut leur montrer que nous, nous sommes là. Nous sommes là pour accompagner ces changements, nous sommes là pour nous battre pour que les choses avancent. Et dans cette avancée que nous souhaitons pour nos États, euh, vous avez soulevé la question de la monnaie. Moi, moi, je pense qu'il faut aller vite. Il faut aller vite pour assurer une certaine autonomie de nos économies. Nous avons des ressources importantes qui peuvent servir de garanties avoir des partenaires, même s'il le faut, très loin de nos frontières. Un pays comme le Niger qui produit de l'uranium, qui produit du, pétrole, euh, l'or, il y en a partout dans ces, dans ces trois pays. Mais quel est le pays qui ne veut pas commercer avec nous Même si c'est des feuilles qu'on dit, c'est ça notre monnaie. <laughs> Et, mais, et pour prendre notre pétrole, c'est les feuilles là. nous, on veut le dollar. Mais <laughs> il va prendre. Et on prend ce dollar-là maintenant pour... Euh, nous approvisionner pour ce qu'il nous faut. Je pense que la politique monétaire, on doit la maîtriser. On doit la maîtriser. il faut qu'on mette fin à cette politique d'empoisonnement, d'asservissement qui constitue les CFA. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir professeur Zanga Moussa, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, Hamma Amadou, consultant spécialiste des questions économiques, ancien directeur général de la DGI. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios et 7 télévisions partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. À bientôt.